20h sur DTV, le journal et ses titres. La SAR à bout de souffle, le syndicat des travailleurs du pétrole tire la sonnette d'alarme. La société court derrière 140 milliards de dettes que lui doivent respectivement l'État du Sénégal et la Sénélec. Problème euh, financier à l'ISRA, les travailleurs sortent de leurs réserves. Ils exigent du gouvernement des solutions urgentes pour éviter le pire. Constatation euh, du comité des droits humains de l'ONU sur l'affaire Karim Wad. La convergence des cadres républicains apporte des précisions et soutient qu'aucune décision de justice ne figure dans ce et puis une fada au marché Coloban, une opération de déguerpissement qui a mal tourné. Il y a eu des heurts entre forces de l'ordre et C'est des comptes récidivés à voir dans cette édition. milliards de fonds CFA et 40 milliards de fonds CFA, c'est la somme que l'État du Sénégal et la Sénélec doivent respectivement à la SAR. La SAR risque de rencontrer euh, de réelles difficultés qui peuvent même compromettre son existence. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz exige de l'État du Sénégal des solutions urgentes, sinon il menace d'aller en grève. Chantal Bajie nous explique. Depuis l'annonce d'importantes découvertes de gisements pétroliers et gaziers au Sénégal, la question occupe en permanence l'opinion publique nationale. Pourtant, le secteur pétrolier est dans un état alarmant, à n'en croire le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Une situation due au blocage des négociations et un non-respect des engagements avec les fournisseurs. La SAR et d'autres sociétés pétrolières sont tellement endettées par l'État et ses démembrements au point que nos sociétés, la en particulier, ne peut plus honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs. Ces fournisseurs qui viennent livrer du brut restent des jours et des jours au large et ces jours-là sont taxés à la Alors que les travailleurs attendent une profonde restructuration financière, la société africaine de raffinage est en train de vivre une situation délicate la SAR est aujourd'hui hypothéquée suite à une dette de l'État de plus de 100 milliards et une autre de 40 milliards de la Sénélec. Alors qu'on est en train de trouver des ressources pétrolières, des, ressources dans le pays, on est en train de vouloir liquider une expérience de plus de 50 ans dans le secteur. Tout le secteur est malade à cause de ce blocage des prix par l'État par du Sénégal. La SAR vend du fuel à Sénélec. Sénélec aussi dit, moi, L'État ne m'a pas payé, je ne peux pas payer la SAR. Demain, demain, si la SAR s'arrête demain, la s'arrête. C'est clair. Après une analyse de toutes ces situations qui prévalent dans le secteur, les syndicats des travailleurs du gaz et du pétrole annoncent le dépôt d'un préavis de grève. La SAR souffre doublement, j'ai dit. On nous doit de l'argent, on ne nous paye pas correctement. Nous n'arrivons pas à honorer nos engagements, même vis à -vis de l'État et de nos fournisseurs. Et l'État, en retour, redresse, procède à des redressements euh, fiscaux. Le syndicat du pétrole et du gaz est décidé à faire face en déposant un préavis pour faire bouger les ligues. Il faut que ça soit clair. Le secteur pétrolier au Sénégal est en train de traverser des périodes sombres, un blocage des activités qui peut entraîner le déclin d'une expérience de plus de 50 ans, selon le secrétaire général du SNTPG. Les acteurs tirent la sonnette d'alarme et déposent un préavis de grève pour faire bouger les lignes. L'ISRA est dans une situation alarmante. L'intersyndicale des travailleurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs mois, l'établissement fait face à une crise financière, laquelle affecte au plus haut niveau les travailleurs. Ces derniers soutiennent que leur ministre de tutelle n'est pas à même de gérer l'Institut. Les éclaircissements dans ce compte-rendu d'Adjaringaïa. L'Institut sénégalais de recherche agricole traverse une crise financière sans précédent. En accroire l'intersyndical des travailleurs de l'Institut, les problèmes budgétaires et de trésorerie de l'ISRA laissent présager des difficultés réelles de règlement des charges de fonctionnement pour plusieurs mois. L'ISRA se trouve dans une situation inextricable qui ne lui permet plus de faire face à ses charges de fonctionnement, c'est-à-dire payer les salaires, prendre en charge médicalement ses travailleurs, euh, payer les charges d'électricité, euh, au téléphone. L'intersyndicale pointe ainsi du doigt le ministère de l'Agriculture qui n'arrive pas à respecter ses engagements. Nous avons saisi d'abord les autorités en interne, le DG et son staff. Après, nous avons rencontré en audience le ministre de l'Agriculture qui assure la tutelle technique de l'ISRA, euh, avec, qui a pris beaucoup d'engagements qui n'ont pas été respectés. Il a fait toute sa carrière à l'ISRA, il a occupé tous les postes jusqu'au jusqu'à celui de DG de l'ISRA, mais depuis qu'il est là, nous souffrons terriblement en en termes budgétaires et de trésorerie, ce qui fait que nous avons de plus en plus du mal à faire face à nos responsabilités régaliennes en matière de recherche agricole. Le secrétaire général du syndicat des chercheurs confie que la gestion de l'ISRA nécessite l'implication de tous les acteurs. L'ISRA ne devrait même pas être sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture, mais sous la tutelle technique d'une institution supra à ses différents domaines de production. Ce qui, cela impact sur notre capacité à mobiliser les budgets du ministère de l'élevage, les budgets du ministère euh, euh, de la pêche, de l'environnement, de l'environnement en termes de recherche, surtout recherche stratégique publique, l'accompagnement des producteurs. À l'instar d'autres instituts publics, l'ISRA s'est engagé dans un plan stratégique de développement avec l'État du Sénégal. Toutefois, le risque d'aller vers un échec est très élevé si son ancrage institutionnel n'évolue pas vers plus de transversalité. Une lettre a été adressée au président de la République pour solutionner le problème contrat d'affermage de l'eau, le Forum des jeunes consommateurs du Sénégal conteste euh, la procédure d'appel d'offres. Les membres soutiennent que la SD avait tous les atouts pour gagner ce marché. Un guide d'information du consommateur est lancé pour permettre à la population sénégalaise de mieux contrôler les services publics. Plus de précisions dans cet élément de Chantal Bergier. à l'appel d'offres international lancé par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, pour le choix d'un nouvel opérateur dans la gestion de l'hydraulique. Le Forum des jeunes consommateurs du Sénégal se dit surpris que la SDE ait perdu le marché. S'appuyant sur ses performances et sa reconnaissance, il réclame des éclaircissements dans la procédure. Nous saluons la nouvelle réforme proposée par l'État pour le contrat de fermage qui donne naissance à la nationalisation de la SDE. Mais nous réclamons une meilleure transparence dans la procédure d'appel d'offres nous réclamons également une autorité de régulation dans ce secteur car il y a beaucoup d'intervenants. Les résultats attendus sont de sensibiliser les autorités étatiques et les acteurs professionnels afin qu'ensemble ils, produisent des solutions adéquates. Ayant pour mission d'amener les jeunes consommateurs à prendre conscience du concept de patriotisme économique, le Foscogène déclare qu'il n'est pas en phase avec les commerçants sénégalais qui ne cessent de combattre pour le départ de Auchan euh, c'est une opportunité hein, pour les consommateurs. L'hygiène est là-bas. Ils valorisent nos produits locaux que nous faisons la promotion. L'OSAN le fait très bien. Ah, nous, militons nous, nous militons au Le guide d'information du consommateur, une plateforme mise en place par le Forum des jeunes consuméristes du Sénégal pour le rapprochement et l'harmonisation des services publics. Pour mieux sensibiliser les autorités étatiques et les acteurs professionnels, un plaidoyer national est mené. Ce dernier touche plusieurs points, dont le plus saillant reste l'éducation, avec le problème entre les universités privées et l'État du Sénégal. Le FOSCOGEN appelle les écoles accueil à plus d'indulgence. En politique, constatation du comité des droits de l'homme de l'ONU sur l'affaire Karim De la convergence des cadres républicains répond à Maître Amadou Sall. La CCR indique qu'aucune décision juridique ne figure dans le rendu de l'organe de surveillance. Il s'agit plutôt de recommandations faites à l'État du Sénégal. Ben les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU n'ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. La réponse de la convergence des cadres républicains suite à la sortie de LH Amadoussal faisant allusion à la position juridique prise par le Comité des droits de l'homme dans le rapport numéro 2783-2016 présenté sur l'affaire Karim Wad. Sous ce rapport, c'est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par ce comité. En effet, seule une juridiction a le pouvoir de condamner. Or, le comité des droits de l'homme n'est pas une juridiction. Ce qui revient à affirmer qu'on ne peut pas parler de condamnation pour évoquer les recommandations du comité à l'endroit du Sénégal. Selon Maître Papsen, cette note dénaturée par les alliés du fils d'Abdoulaye Wade révèle en réalité des constatations et non une décision juridique. Une première partie sur la teneur de la plainte de M. Karimouad, parce que c'est Karimouad qui a saisi, c'est une communication qu'il fait au niveau du comité. Évidemment, il va lister un certain nombre de demandes portées à l'attention donc de ce comité. C'est la première partie. La deuxième partie va donc constituer, sera constituée du texte, sera constituée donc aux observations des parties aussi bien l'État du Sénégal que M. Karimouad, parce que c'est un débat contradictoire, ont fait des observations et la deuxième partie était consacrée à ça. Et la troisième partie était consacrée donc à ce qu'on appelle un peu euh, sur l'examen, la délibération du comité. Plus loin, Maître Sen révèle que dans ses recommandations, il a été donné à l'État du Sénégal la latitude de pouvoir s'organiser au plan législatif et au plan réglementaire. Le comité recommande à l'État de lui envoyer dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à cette concertation. On verrez donc que là où on demande 30 jours, le comité dit 180 jours. Donc, si on, analyse en termes d'acceptation, de, on peut dire qu'ici, le comité a rejeté complètement la demande qui a été formulée par M. Karim Wad sur le délai de 30 jours, mais en lieu et place, un délai de 180 jours qui est donné à l'État du Sénégal pour pouvoir prendre. C'est comme ça qu'on formule des recommandations. La CCR entend organiser le 21 novembre la convention des cadres de Benno Akar afin de mieux préparer l'investiture de leur candidat, le président Macky Sall opération de déguerpissement au marché Colobane, il y a eu des heures entre des occupants illégaux du rond-point et des forces de l'ordre. Ces marchands ne comptent pas reculer. Ils ambitionnent de reprendre leurs activités quotidiennes dès ce samedi avec ou sans autorisation. Peine de Baji pour plus de détails. Des pneus brûlés, des visages tristes, le marché de Kouloban est transformé en un champ de bataille entre forces de l'ordre et marchands. Ce vendredi matin, ces commerçants, pas près de déguerpir des lieux, reviennent sur les faits. À cause du garage là, les trois bis que tu vois là, ça n'a même pas d'importance pour la population. Pour une seule personne, euh, pour euh, l'intérêt d'une seule personne, ils, préfèrent décapiter tout le monde. Nous, on nous a demandé simplement de céder la place. C'était le vendredi. Pour inaugurer, c'était la cause, c'était pour inaugurer le garage. Après cela, le mercredi, vous, venez, vous, vous, allez reprendre. C'est ce qu'ils nous, a, ce nous ont dit. Mais après, à la longue, après, à le mercredi, on était venu, on a trouvé des, des policiers. Le jeudi, mercredi, jeudi, on est venu travailler les, policiers nous ont délosés encore. Une qui affecte leur chiffre d'affaires. Toutefois, ces derniers estiment qu'ils ne vont pas se laisser faire et prévoient de reprendre leurs activités à partir de ce samedi, même si des négociations sont entamées pour trouver un consensus. Ceux qui viennent dans les régions pour venir acheter des bagages et rentrer, ça on n'en compte pas. Et puis chaque fin du mois, nous on fait ici combien de millions pour rentrer dans les mairies demain je vais travailler. C'est ce que j'ai dit à mes délégués, mes responsables. Ce que nous voulons ici, qu'ils nous laissent travailler. On est en train de négocier jusqu'à présent. Mais ici, ici toujours, il y aura, un travail. Ainsi, les marchands ambulants sont plus que jamais déterminés à continuer leur travail ici à Colban. Avec ou sans autorisation du préfet de Dakar, ils comptent y parvenir. Cependant, ils espèrent trouver une issue favorable au sortir des négociations. Maoulou de 1440, c'est l'une des annonces phares du président de la République à Tivawan. L'autoroute à péage Dakar-Kies-Tivawan sera ouverte et gratuitement. C'est pour permettre aux fidèles d'aller célébrer euh, la naissance du prophète Mohamed P. Salut sur lui sans tracasserie. Une nouvelle bien appréciée par chauffeurs et talibés dans ce reportage de Noumeba. Maulout 2018, ouverture de l'autoroute à péage. Dakar, Thiès, Tivaouane. Une aubaine pour les chauffeurs et clients qui veulent rallier la ville sainte de Tivaouane. Ces clients saluent l'initiative du chef de l'État Macky Sall. Tout ce que tu voudras de bien pour l'autre, tu seras toi-même touché par le bien un adage bien compris par Macky Sall. Si Macky Sall l'a fait, c'est parce que c'est son devoir. On le remercie, il pouvait ne pas le faire. Gratuité du péage, oui, mais à quel prix pour les voyageurs Si le prix des transports est revu à la hausse, c'est grave. Le passage au niveau de l'autoroute n'est pas gratuit, c'est pas nécessaire donc d'en parler. Ce chauffeur insiste sur la discipline que devraient adopter ses camarades et leur demande de respecter le code de la route pour éviter les accidents. La principale cause des accidents est en général l'indiscipline. Notée chez les chauffeurs, ils ne respectent pas le code de la route. S'il y a accident, on reste des heures pour régler le problème. Donc il est plus préférable d'éviter certains actes. L'annonce de la gratuité du péage par le chef de l'État à Tiwawan fait l'affaire des chauffeurs et pèlerins qui souhaitent célébrer le Malout 2018 dans la cité de Maudo. États-Unis euh, au Sénégal aident les jeunes en matière entrepreneuriale. Différents domaines d'activité sont ciblés. Après leur formation au pays de l'oncle Sam, les jeunes sont revenus pour réaliser leurs projets. Adam L'investissement dans la jeunesse et la promotion du développement économique inclusif des objectifs communs entre le Sénégal et les États-Unis. Au total, 40 exposants de différents domaines sont venus participer à l'événement de l'Association sénégalaise des alumni. Cet événement, on l'a organisé dans le but de montrer aux Sénégalais qu'on peut partir aux États-Unis et revenir et faire tout le travail qu'il faut dans le pays, créer des emplois, aider la jeunesse à euh, avoir des opportunités. Et l'ambassade des États-Unis nous a accompagnés financièrement. Ils ont entièrement financé le projet euh, via l'Association sénégalaise des alumni. On a une quarantaine d'exposants et on a la finance, on a la médecine, on a des ONG qui, euh, luttent contre les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de domaines. 70 personnes sont envoyées chaque année aux États-Unis. Leur ambassadeur au Sénégal affirme qu'ils investissent dans l'avenir du pays et créent des emplois les Nous sommes très contents de nous associer à cette exposition, mais pour nous spécialement, je suis très fier de voir euh, les anciens, euh, l'association des alumni, euh, qui mettent en pratique certaines des expériences qu'ils ont acquises aux États-Unis d'Amérique. Chaque année, nous envoyons à peu près 70 personnes aux États-Unis. Nous avons à peu près 9 différents programmes d'échange dans lesquels les gens peuvent, peuvent euh, participer. Le gouvernement sénégalais salue l'initiative de l'association et encourage les jeunes. Il ne fait aucun doute que l'association euh, sénégalaise des alumni y contribue notoirement avec l'appui du gouvernement américain et naturellement ici représenté par M. l'ambassadeur, son Excellence. Il ne fait donc aucun doute que le président de la République euh, est rassuré par l'initiative de l'Association sénégalaise des alumni. L'Association sénégalaise des alumni donne des opportunités aux jeunes qui ont des ambitions de pouvoir réussir leurs projets. À ce stade du journal, nous prenons la direction de Tivavane C'est pour y retrouver notre équipe sur place. Adoule Ndiaye, bonsoir. À vous l'antenne pour le journal en fin. Bonsoir euh, également Mohamed Diallo. Euh, bonsoir à, tous les téléspectateurs de la DTV. Euh, comme vous l'avez présentement dit, nous sommes actuellement dans la ville sainte de Mamoudo, donc où également l'équipe de la télévision DTV a déployé une importante équipe ici présentement pour la bonne tenue de l'événement. depuis ce matin, on a eu à également requérir quelques informations. vous savez que donc depuis le démarrage du Bourdou, la ville sainte de Mamoudo devient le point de ralliement des autorités religieuses, politiques et coutumières. Euh, tous sont également venus euh, pour effectuer les ziyara auprès du Khalif euh, général des Tidjans, Mansour, mais également on a eu à noter des informations concernant aussi les quelques métiers qui se font aux alentours de la grande mosquée de Tivavan, mais également on a eu également à faire un important dossier sur le rôle important que joue le comité d'organisation au service du Khalif Ababakar Koskas où nous aurons également euh, l'occasion de recevoir, de recevoir sur ce plateau le secteur général Serigne Babakasso pour revenir en détail euh, sur également la tâche euh, également que fasse cette structure. Voilà ce qu'on a eu à noter, entre autres informations depuis ce matin, Mohamed Diallo. Merci beaucoup. un menu très riche, Abdoulaye Ndiaye. Vous avez glané apparemment de très bonnes, des informations de très bonne qualité. Voilà, si vous n'en avez pas d'autres questions, si vous n'en avez pas, donc euh, nous allons revenir en Wolof euh, donc, euh, sur ce qu'on a eu à recueillir depuis ce matin. Allez-y, à vous l'antenne. Merci beaucoup. مبكي اهلا وسهلا في المدينه التيفاوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبكي باي خال سين تلفزيون دي تي في نيغي تاي تي الجوم جوم نيتي فان سيورو غامو دبوك فوك فات اك جوم بن سيورو كو لي دي نوفمبر اتوم 2018 غير غامو كو يونتي صلى الله عليه وسلم في تي دك بو سيل بي دي تيفاوان نيغي تي بونتو زاويا سي جابو بكار سي في نك غير جوخ لين خبار في روسي ديبي تي صبا بوكو نتي لي تي غنا فوس غيس نانيو في سي ريو سينيغال jafe-jafe yu am ci wàllum wala bokk justice bi indi coow jamono ci wàllum kër yi moo waral maître Madické Niang jàpp ne nag lii di nguur gu Sénégal dafa war a tek dogal ba soxe ko ci mbootaayu xeet yi ci mbirum Karim Wade loolee nag bokk na ci eh, lu soxaleen ay kàddum mooy wallum gafak nguur gi ci ni mu rëseeg jafe-jafe yi loolee nag mu gis ne ñàkk ak càgganteefu ko li nga xamante moo di nguur gu Sénégal la di xalaat boo xamante nag kii di natangoom di mbër ci jongante ñu dëgmal di Hadjibou Soumaré bokk ak moom loolee nag ñu fësal

li ma doon wut si moom mooy ñaanal na ma dénk na ma ay dénkaane yu wóor yoo xam ni man am naa sawarte def ko parce que yooyu ma dénk yëpp moom laa gëm. nekk bis boo xam ne nag ñun sénégalais yi war nañ ko def bésu mbégte wante dellu si aussi ci bésu boo xam ne euh, ku ci nekk booy xool sa morom na nga ko xool ak respect bi nga connaissance. lu jëm nag ci tolluwaayu jamono li ñu dubbee nag l'actualité brûlante de l'heure bokkoon sax ci li ñu jot ndax jàpp nañ rek jafé jafé yi nga xamné ne Sénégal da koy jànkoonteel ci jamono jili lu jëm nak ci walu gafakaam ñoom gisoon nañu jafé jafé yoy li dina mës am. tension yi mu ngi fii wax naa ci ba pare bu ngeen delloo ci la ma waxoon rek te peut-être jëmi jamono ci kanam tuuti bu ma ciy waxaat. damaa gën a firndeel li nga xam ne mooy li nga xam ne moo indi jafe-jafe yooyu yëpp naa ci waxaat. Hmm? jafe-jafe yooyu kay ñëpp xam nañ ko muy liggéey ci ci yooyu xam nañ ko hmm? ñuy liggéey ci yooyu xam nañ ko mais la ma ci waxoon rek dellu leen ci la ma wax rek. réew mi nag mi ngi si jafe-jafe yu metti jafe-jafe yooyu nag ñàkk gis-gis ñàkk gis-gisu président Macky Sall moo ko waral su fekkoon ne amoon na gis-gis yu wóor réew mi du am jafe-jafe yi ndax li ko yàlla may jamono yi mu am jàmm si wàllu pétrole bi am jàmm si fànn yu bëri te loolu feeñul si réew mi nit ñi di sonn fu nu toll tey lañu gën sonn. ki fi nekkoon avocat bu Karim Meïssa Wade jàpp na ne nag nguuru Sénégal daa war a jëfe ci na mu gën a gaawee rek décision bu Nations Unies boobu lii bu ci génnee sax ñu taxawaale lépp jëm ci wàllu procès bi. yàgg naa wax ni procès bi amul yoon tey Nations Unies dëggal na lu mel noonu sama wax mooy na gouvernement bi président Macky Sall taxaw si faj loolu na mu gën gaawe loolu mooy taaru Sénégal loolu mooy tax ñëpp gëm Sénégal démocratie moo fi nekk waaye sama candidature dama koy maintenir di ko doxal te maa ngi sant yàlla lii di ay autorité politique religieuse wala sax ay taalibe daje fii nag ci kër xalif général des Tidianes dëkku Maodo bi le nag nekk ci jamono jile sëli bi yoon parce que nu Sénégal Mouhamadou Mansour Sow duñ la bàyyeegul ndax euh, lu jëm ci wàllum kaaraange sax way ujaaj yi ñëw fii bokku na ci lim bu takku di ñeenti téeméer ak juróom-ñaar ci ñi nga xam nag ñoom ñoo di ay euh, agent de sécurité ak de proximité ñooñee nag lañ fi indi ci dëkk bu sell bi samay kàddu ki ko xamle mooy euh, kii seen kilifa di maître Pape Khaly Niang mu jàpp ne nag ñoom donte bokk ñoo liggéey ñi di way takk der yi waaye daanaka sorewuñ ndax it danañ fexe bay yombalal way ujaaj yi nekk seen si biir dëkk bi seen dem ak seen dikk loolee nag ay kàddu la yoo xam nag yow lako denk bi mu guéné tey ji ci bi mu ñëwee seet si xalif général ci Tidianes. Tiwaawan nag euh, am na juróom ñaar fukk ASC yoo xam ne euh, vraiment esplanade de la mosquée la leen jox vraiment local nga xamné euh chef de service départemental bi mo koy gérer. bu lolu wesso amna ñaari téeméeri ASP yo xamné ñu ngi nekk ci biir bi di jàppale police ak gendarmerie.

ndox mi ñuy séddale sax ASP dañ koy def loolu la ñuy wax sécurité de proximité nga xam ne dafa méngoo euh, doonul sécurité publique nga xam ne dañuy ñëw activité de police activité police am na gaa mais loolu ñi fa nekk ñi si jàppale waa police mais ñi si des nag dañu war a jàppale si nga xam ne kër yi ak vraiment si euh, nga xam ne xabru yu nekk fii jàppale nit ñi ba nga xam ne dinañ ñëw ziyaare euh, vraiment li nga xam ne moom la gën a rafete ni nga xam ne moom la gën a yombee ku wax gàmmu euh, tamit di guddig yonent bi sallallahu alayhi wa wax lu jëm ci dëkkuwaay ku wax dëkkuwaay di nga wax euh, la nga xam nag moom moo di euh, dalluwaay lu ci mel ne xeeti matlaak yu ni mel loolee nag barab yañ koy jaayee askan wi yeewu ci dëkk bu sell bi dañ fay fëx dem ngir wutal ko seen i gan loolee nag lu waay am si sa jiba mën nga caa àgg ni ndax njëg yëwén na lool loolee nag ngir am ci lu leer soxna Ndeye Fatim Lo ak yaaram Der Ndiaye solo nañ seen i daal dëkk ma li si jaayukaay yi ñu teewlu leen leen ñëw tey ci xalif yi aussi sàkku ay ñaan par rapport ak campagne bu ñuy ay fan rek des ngir ñu amal gàmmu gi bu dee jamono ji am na lu dox loolu moo di jaayum basang ak mag matla jaaykat yi ñoo ngi ciy gis seen bopp bu baax la njaayum basang dox na saa booy julli da nga koy soxla te itam néeg yi matalewut il faut nga laal basang nga tëdd ci bu julli jotee itam mën nga cee julli. waaw gàmm moom franchement dina dox franchement dina dox bu baax a baax. dañ koy soxla pour gan parce que ñëpp mënuñ leen a utal lal parfois dañuy ñëw lal ko pour ñu ñëw buñ mënee mën see kii dëgg. mi ngi dox nag bu baax parce que ci guddi si dinaa xam ne dañ nekk moom macha allah bagage moom mi ngi bu baax alhamdulilah. waaw mergade yi mi ngi dox matelas yi mu ngi dox matelas dodo yi day dox bassin yi day dox jamono gàmm gi moom dinañ ci sant suñu bopp bu baax wax dëgg yàlla mu doon ay jumtukaay yoo xam ne am nañ solo loolu ngir teeru taalibe yi ñu dëkkee fii ci Tiwaawan dinañ mën a jox seen gan yi fu mucc ayib fu ñu mën a fanaan